avis qui sont obligatoires l'ANAM créé spécialement pour gérer le domaine public maritime dafa donné avis sur occupation du domaine public maritime L'anam dafa avoir avis pour installation d'une gare maritime l'ANAM n'a donné aucun avis pour cette installation muy première illégalité si ñu gare maritime ci booru dans étude d'impact environnemental et social L'étude d'impact environnemental et social, c'est l'article L48 et L49 du Code de l'environnement. Il n'y a aucune étude d'impact environnemental et social pour ce projet. moi deuxième illégalité troisième illégalité bi vous lay espace qui domaine public maritime il faut avoir une délibération du conseil départemental dans ce cas d'espèce l'article 28 du code général des collectivités locales dafa wax ni le conseil départemental wara ville du moko dans ce cas d'espèce c'est la ville de Pékin qui est compétente pour prendre une délibération entérinée par le préfet il n'y a aucune délibération accordant cette portion de plage à M. Biran Yayawan c'est la troisième illégalité soo topé décret il y a le décret 2009 2009 02 du du 18 juin 2009 portant création et organisation de l'ANAM bu war régler fii ñooñu waxuñu ci dara soo toppee code de l'environnement waxuñu ci dara code de l'environnement dafa wax ni dañu war a bu promoteur bi moo war a fay cabinet mu def étude mu jox ko comité technique mu jox ko ñu def audience publique gouverneur nee nañu moom moo présider comité technique bi te présider le comité technique sur l'affaire donc ce ñu mën nous le promoteur ne respecte pas la loi Nous nañu gendarmerie garder parce que les même boo leen nous ñu war la garder nous jëlee drogue sa drogues, la arrêter donc nous, nous nous comme ni yi di wax defuñu comme waa Dans le bâtiment bi yomb na y nous yomb mais loi bi dafa wax ni ku deful Biran Yayawan, nous avons démontré à suffisance et nous voulons une confrontation directe avec lui pour qu'il nous montre l'avis de l'ANAM, qu'il nous montre l'étude d'impact environnemental, qu'il nous montre la délibération de Pékin, qu'il nous montre l'audience publique à travers laquelle les populations ont donné leur accord. Donc, illégalité totale, comme nous l'avons gendarmerie mais nous avons saisi l'administration Nous nañ lettre président de la République bind nañ lettre premier ministre bind nañ lettre ministre de l'Environnement, environnement bind nañ ko 12 lettres ministre de l'Environnement, environnement bind nañ lettre ministre de l'économie maritime Pape Sagna Mbaye bind nañ lettre gouverneur ak préfet de Pikine mais amaguñu ay tontu gouverneur rek moo ñu recevoir fi may daaneelee fi may daaneelee plage bi ñu nekk ni produire na ay internationaux de football ki si moi Ousmane Mané gardien de l'équipe nationale. Isaba Ba la Blende fi Amdi Moustapha Fay jaar na fi sur la lutte Moussa Ndoye champion il est là parmi nous Tiatou Yara fi la jaar sen grand frère Boy yara fi la jaar bari na ay Pikine ak donc place bi la demande forte que nous allons faire la demande forte que nous allons faire c'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure conservatoire. C'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure conservatoire. Nous sommes capables, nous sommes capables de sortir dans la rue, de faire tomber ces murs, d'empêcher les travaux. Mais nous avons choisi la voie républicaine de la légalité, de la concertation pour l'application des lois et des règlements. Yalla le la ni arrêté arrêté bi fukki article ak ñaar la arrêté baa ngi mën nañ ko jox kuko ko bëgg arrêté bi dañ ko wax waro tabax tabax na même bo démé sali un hôtel yi do fa fekk mur bu sur tout le littoral sénégalais sur 700 km, vous ne trouverez pas un mur pareil ce mur est un scandale ce mur dépasse le mur de Berlin en termes de honte ce mur dépasse le mur de Berlin en termes de mesquinerie nous devons faire tomber ce mur et nous allons faire tomber ce mur légalement bëgguñu benn xale dem prison les gars war ngeen fàttaliku kan que Mbacke Seck bi ma ci tolo, bu ñu defee lu illégalul may njëkk a taal may mais léegi dañoo xam am xam-xam dañoo xam am xam-xam lu nit wax doomu yaraax doomu Dalifort nous connaissons la loi nous connaissons les codes nous connaissons les décrets nous connaissons les arrêtés on va le pousser légalement à arrêter mais l'urgence l'urgence c'est que ces travaux soient arrêtés immédiatement et qu'on l'oblige vous savez lan que tax jiitewuma pour ñu le mur bi il a mis ici 32 camions de gravats la def ci place pour Yacouk ko tey dugal na deux camions de gravats en termes de provocation c'est-à-dire Wadi, dafa xaw a saay-saay ba mën na yàqal boppam jiiñ ñenn si ñun may on va l'amener dans le combat de la légalité, dans le combat des lois, dans le combat des articles, dans le combat des codes pour faire casser ce mur. Parce que c'est le président Macky Sall qui, en 2016, a mis des articles dans la Constitution pour la protection de l'environnement. Tout le monde se souvient des, points 25.1, 25.2, 25.3. ...n'y a fait de fatigue ci l'environnement... environnement président warul mun a def loolu ba pare di seetaan lu mel donc je ngi ñaan suma à yi gënu leen ma tàng nu ñuy nu ñuy mur on n'a pas peur de ça mais si nous ko les gars nous ñun des graves. or nous bi dans tous les cas de figure et sous la loi l'oblige la loi l'oblige je dis bien la loi l'oblige c'est dans l'article là c'est dans l'article 10 Pour faire illégal on doit retirer son permis de construire l'autorisation dañ ko wax Si su deux ans dara ci plage bi nañu autorisation bi nous avons ko l'autorisation en 2015 2015 ba 2023 durant ñetti at la irrégularité bu ñu l'autorisation de construire serait je dis par là au conditionnel serait signée par le défunt maire Idrissa Diallo 20 jours avant son décès grand mais quelqu'un qui est atteint d'une maladie bu nga un dañ la peut en isolement voir sa jabar mënatu la gis sa est-ce que xel nanguna signé autorisation de construire bi je vais vous le dire aujourd'hui biran Yawan, quand la commission d'urbanisme composée par des fonctionnaires de l'urbanisme et des impôts au domaine, lui ont demandé moi andi ANAM agence nationale des affaires maritimes biran autorisation du ministre pour construire neuf bateaux est-ce que vous avez wax ji Je ne sais la ndax mën nga bulletin de naissance dañ ko ANAM il a sorti une autorisation de la tutelle du ministre de la pêche pour dire que autorisé na à construire neuf bateaux autorisation de construire neuf bateaux c'est différent c'est différent d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime c'est différent d'une occupation d'une autorisation de construire une gare maritime et d'occuper 9400 mètres carrés loolu mooy une tromperie Nous laaj une étude d'impact environnemental qui est obligatoire pour trois raisons